chers auditeurs du Niger sur Kalangu, très ravi de vous retrouver sur cette émission. Vous êtes en compagnie de Rabia Mekano et Maria Madé pour la présentation. Bonjour Maria. Bonjour Rabi, comment vas-tu Ça va bien. Qu'est-ce que nous avons au programme de ce matin Il y aura le flash, la rubrique hebdo éducation qui va parler de l'éducation des jeunes filles des zones nomades, le reportage région qui nous mènera à Dosso, sans oublier notre page sport et la chronique Lotti. Dans l'entretien du jour, Abdoulaye Bagarsa, le responsable de la bibliothèque de Filingué, est notre invité. Un reportage dans la zone, Rabia Mekano s'est entretenu avec lui sur le fonctionnement de la bibliothèque et la non-fréquentation de cette librairie. En musique, nous allons vous présenter quelques artistes nigériens qui, en plus des langues locales et du français, chantent aussi en anglais. Et que serait cette émission sans nos techniciens de l'autre côté de la vitre Un gros coucou à Amina Hassan, qui assure la technique, et à Damadawaki et Rahila Toussoumana qui assure l'édition. C'est parti pour une heure de balade. Nous sommes avec Rafika Taher pour le flash d'information. Bonjour, Bonjour Rafika. Bonjour les filles, comment vous allez ça, va bien. Alors, pour ce matin, à l'issue de sa visite lundi au Togo, concernant la situation sociopolitique du Niger, dans un point de presse, le général de corps d'armée, Salif Moudi, a déclaré en substance que lui et sa délégation sont allés demander au président fort Nyasingbe du Togo d'être facilitateur de dialogue entre le Niger et ses partenaires dans la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre togolais des Affaires étrangères, pour sa part a confirmé à l'occasion que le président de la République du Togo est disponible à aider en tant que facilitateur entre la République du Niger et la communauté internationale. Hier de la matinée, le mouvement Afrique sans frontières a organisé un sitting devant la représentation de la CDAO au Niger. Le but de cette manifestation est la levée des sanctions infligées par la CDAO au Niger suite aux événements du 26 juillet 2023. À noter que ce sitting est prévu dans les autres capitales des pays membres de la CDAO. Maître Lerwana Abdrahaman, représentant de ce mouvement, a déclaré, je cite, que notre plaidoyer se veut pacifique mais résolument engagé pour défendre le peuple nigérien souverain devant les juridictions internationales en cas de refus de la CDAO de ne pas se conformer aux textes fondamentaux de son organisation, de la Charte des Nations Unies et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Fin de citation. En fin du sport, dans ce flash, le Kenya accueillera la huitième édition du prochain championnat d'Afrique des Nations Chan 2024. L'annonce a été faite cette semaine par la CAF, Confédération africaine de football. Notons aussi que le Kenya abritera conjointement la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2027 avec l'Ouganda et la Tanzanie. <laughs> Merci Rafika. Merci bien Rafika. Dans quelques instants, nous suivrons un entretien sur la situation de la bibliothèque de lecture publique dans la commune de Filengue. Ça sera avec Abdoulaye Bagassa, responsable de la bibliothèque, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Tout de suite, partons en balade musicale avec les sons All and Now Et, et eh oui, aujourd'hui, vous allez découvrir quelques artistes nigériens qui chantent en anglais en plus des langues locales et du français. 24 seven, yeah, I'm on the road. Ayy, seven to eleven, yeah, I gotta get it. Ayy, stacking my cheddar, yeah, that's all I know. Stacking my cheddar, yeah, that's all I know. 24 7. Yeah, I'm on the road. A7 to 11. Yeah, I gotta get it. Stocking my cheddar. Yeah, that's all I know. Stocking my cheddar. Yeah, that's all I know. Hey, yo, young Machiavelli. Shit, I gotta get it. Hey, I be on your telly. Yep, rubbing my belly. Ay, I am Balotelli. Nope, don't like Italy. go and act Shelly. Yeah, I look the jelly. Young nigga ready to get it. Don't need a miracle. Pop and ready to grab it, reaching the pinnacle. I can feel your energy now, I know you're cynical. Had your girl ringing my line, she said I'm lyrical. Get on my level, B. get on my level. A. skirt, skirt, back to the trenches, foot on the pedal. Had my ass whooped as a kid, I was a rebel. They said I'm playing hide and seek with the devil. I took the pill to chill, I love the way you feel. I disappear from the scene like David Copperfield. I reappear with a dream, show me a better deal. I'm back back again in the game. I need a hundred mil. 24 7, yeah, I'm on the road. Ay, 7 to 11, yeah, I gotta get it. Ay, stocking my cheddar, yeah, that's all I know. Stocking my cheddar, yeah, that's all I know. 24 7, yeah, I'm on the road. Ay, 7 to 11, yeah, I gotta get it. Ay, stocking my cheddar, yeah, that's all I know. Stocking my cheddar, yeah, that's all I know. Born in the ghetto, yeah, that's how we got the souls. Raised in the ghetto, yeah, we from the smiling coast. All about dinero, yeah, no matter what the cost. Great Mali better, yeah, I am my own boss. This shit is greedy, it's crazy. We scare a lot of boys. I'm in the city like Jay Z, making a lot of noise. I'm feeling peaty and hazy, pulling a lot of toys. You niggas shitty, you lazy, like you ain't got a voice. Forget about it, homie, don't ever doubt it. Shorty, we make a lot of money if you don't like it. Blow me, I'm on my way to the bank you better come with the loot. I'm pulling up in the tank, my homie told me to shoot. We only shoot for the stars, destination is Mars. Still sweating them bars, still covered in scars. Still rapping my CD like I'm the nigga in charge. Still putting the work, still living it large. 7 yeah, I'm on the road, 7 to 11, yeah, I gotta get it. Stacking my paper, yeah, that's all I know. Stacking my paper, yeah, Nigérien, il est né ici au Niger mais a passé une grande partie de sa vie en Gambie et en Angleterre. C'est dans ces pays anglophones qu'il a développé une passion pour la culture urbaine et s'est lancé dans le rap. Et on sent bien l'influence du rap US dans ses compositions. Mariam cap sur Filengue pour découvrir sa bibliothèque, c'est ça et eh oui, Rabi, créé en 1997 grâce à la collaboration avec les partenaires la bibliothèque de lecture publique de Filingué est aujourd'hui bien loin de ses beaux jours. Elle se retrouve abandonnée par la communauté, une situation que déplore ses responsable Abdoulaye Bagassa. Il est au micro de Rabia Mekano. La bibliothèque de Filingué a été créée en 1997 grâce à la coopération française bien sûr, qui est venu en appui au niveau du ministère euh, en charge de la culture. Cette bibliothèque euh, est implantée au niveau de la commune de Filingier, particulièrement dans la ville de Filingier, pour servir ou desservir les villages environnants, voire même les autres communes, parce que c'est une grande bibliothèque, une unité qui a presque un volume important d'ouvrages à peu près, il va estimer à près de 8000 livres, donc tout genre confondu. Et cette bibliothèque, donc, euh, au premier abord, a permis aux autorités administratives de mettre un comité de gestion pour euh, m'épauler dans mes différentes tâches. J'avais dans le temps deux aides bibliothécaires et j'ai deux coopérantes aussi une japonaise et puis une française. En 2002, la commune a eu la chance quand même d'avoir euh, le financement et la construction d'une nouvelle bibliothèque qui a été construite. Aussi, nous avons eu d'autres appuis au niveau du, ministère, ce qui fait que vraiment la bibliothèque de l'autorité publique euh, est devenue une euh, exception par rapport aux autres bibliothèques de différentes régions du Niger. Voilà, cette bibliothèque qui se situe aujourd'hui à la Maison des Jeunes, Comment elle évolue Est-ce que c'est une bibliothèque qui, continue de vivre La bibliothèque, vraiment, après la, mise en place des comités, et nous sommes donnés comme mission de faire la promotion de la lecture. Donc c'est à travers euh, la lecture sur place, à travers euh, les fréquentations des établissements scolaires pour un peu booster les jeunes à bien lire. C'est les concours, c'est les compétitions euh, scolaires, euh, les compétitions culturelles et sportives, voir les jeux aussi, faire la promotion des jeux du terroir. Vraiment, jusqu'en 2010, euh, elle a fonctionné comme ça se doit, parce que nous avons mis en place un festival dénommé Festiscof qui se tient chaque deux ans. Et ce festival a fait Oko au Niger parce que nous avons même eu la visite de le représentant de l'ambassadeur des États-Unis qui était venu par le canal du Centre culturel américain, venu à une de nos éditions. Donc, euh, c'est pour vous dire que c'était vraiment trop vivacé. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette bibliothèque dont vous avez la charge, dont vous occupez, euh, connaît le problème des autres bibliothèques par rapport à la fréquentation Si on revient un peu sur les statistiques, de la création jusqu'en 2010, vraiment, les statistiques étaient très bonnes parce que j'ai sortais moi-même sur le terrain pour faire euh, des animations. Je partais dans les services techniques, je partais auprès d'autres usagers pour les amener à fréquenter la bibliothèque. Euh, fort malheureusement, euh, depuis 2010, nous avons commencé à avoir des sérieux problèmes par rapport à la fréquentation. Et ça s'est empiré au moment où on a commencé le système de contrat. Parce que les enseignants ne veulent plus amener les enfants. Eux-mêmes, ils ne viennent pas en tant qu'encadreurs pour venir découvrir à plus forte raison. Deuxièmement, les activités que nous faisons sur le terrain, on a, nous avons marqué une pause pour voir, au fait, c'est quoi l'impact si toutefois nous ne sortons pas. Et la troisième chose aussi, le contexte dans lequel nous vivons, c'est l'insécurité. Quand on a mis Filangué dans une euh, zone rouge, donc nos coopérantes là n'étaient plus euh, amenées à rester à Filangué elles ont quitté. Mes aides bibliothécaires aussi, comme les communes ont des difficultés financières, donc elles ne pouvaient pas trouver quelque chose, en tout cas pour euh, quelque chose pour les, les aider un peu à faire face à certaines dépenses. Nous ont, ils sont partis et donc j'étais resté seul. Étant seul aussi, c'est pas facile de faire certaines activités. La quatrième difficulté, parce que par le passé, on travaille même la nuit on donne l'opportunité aux élèves en classe de terminale de venir euh, fréquenter la bibliothèque la nuit. Et pendant les vacances aussi, euh, nous aidons euh, les élèves qui font les cours plus à venir aussi fréquenter la, bibliothèque pour vraiment essayer de partager des expériences avec les pères. Fort malheureusement, avec les problèmes du coulement des eaux, nous ne pouvons plus travailler. Dès que la, commence à pleuvoir, nous sommes contraints de tout ramasser. Et ça, c'est un frein pour euh, vraiment la jeunesse. C'est un frein pour ceux qui ont vraiment envie de lire. Parce que près de quatre mois, nous ne pouvons pas travailler. La bibliothèque ne peut pas ouvrir au public parce, par crainte de ne pas encore avoir plus de livres abîmés. Vraiment, c'est pas comme avant, les bibliothèques ne sont pas fréquentées. Parce que les jeunes aujourd'hui se donnent plus au portable, ils font leurs recherches sur Internet que de venir dans les centres de lecture. La suite de notre entretien dans, quelques instants, notre prochain artiste, c'est non Fadi, elle est à l'aise dans le style afrobeat qui font ensemble son titre Off Your Love. I would like to get to know if I could be. Could be. The kind of girl that you could be down. Would you be down for me? When I look at you, I feel something tell me. You know that's that Baby, it's the way you love me. It's the way you walk for me. Baby, it's the way you ride for me. It's the way you talk about me to people. I don't wanna see other people. You're the only one I see with my pupils. Baby, it's the way you love me. It's the way you walk for me. Baby, it's the way you ride for me. It's the way you talk about me to people. I don't wanna see other people. You're the only one I see with my pupils. Baby, when I'm around you. a.m. So I, of your love, love, love, of your love, love, love, of your love, of your love, of your love, love, Baby boy, your love is sugar me, and love is just a ginger me. My heart goes boom boom when I see you. It's like ooh, I wanna be with you. Mon cœur pour toi. you like a diamond. Go bust my brain and my medulla. When I'm with you, my Of your love, yeah. Of your love, of your love, of your love, love love. Oh na na na na na I'm so I I I I la la la Oh na na na na na. of your love. aussi connue sous le nom de Fadi, est une chanteuse et compositrice nigérienne installée aux États-Unis depuis 2011. Au Niger, elle s'est créée une fan base à la sortie de son titre à ben en octobre 2022. Née et grandie au Nigeria, elle se lance dans la musique et se fait progressivement une place dans le milieu en ayant déjà tapé dans l'œil de grands artistes nigériens comme Tiwa Savage, Adekunle Gold et du français euh, Dajou dont elle fait la première partie du concert en, euh, voilà, en mai 2023. Poursuivons notre entretien avec le responsable de la bibliothèque de lecture publique de la commune de Filingué, Abdoulaye Bagassa. Il nous parle des difficultés qui rencontre sa bibliothèque impactée par le manque d'appui et l'insécurité. Est-ce que vous avez euh, voilà, un quelconque appui Où est-ce que vous en êtes Certes, au moment où il n'y avait pas cette interruption ou le départ de nos Partenaire, Parce que Filendier était jumelé à une ville française qu'on appelle Artismos. Et c'est Artismos en tout cas, qui prenait, comme ils avaient une coopération ici. Et au niveau de la coopération, ils ont prévu un budget pour euh, la bibliothèque, donc pour euh, les activités de la bibliothèque. Donc chaque année, il suffit qu'on leur soumette nos, euh, notre planning de travail, nos activités programmées au cours de l'année, ils vont financer. La mairie étant aussi, comme je l'ai dit, dans des difficultés financières, donc elle ne pouvait pas, euh, parce que ce n'est pas un secret, hein, je pense qu'il faut le dire, au Niger, la culture est très mal vue. C'est ça qui fait que débrousser de l'argent pour euh, certaines activités culturelles, euh, il y en a qui prouvent que c'est vraiment du gâchis. Or, nous savons bel et bien que la culture, c'est le miroir d'un pays. Donc, nous avons ces difficultés. Quand on a des difficultés financières, nous ne pouvons pas en tout cas faire euh, ce dont nous sommes appelés à être euh, au devant. <clears throat> Par exemple, euh, nous avons initié des, mâles de brousse pour desservir les villages environnants, parce que c'est des bibliothèques de proximité. Donc, pour les transports des mâles de brousse, quand on n'a pas un partenaire, nous avons des mâles qui sont là. Ils devraient être rotés, suivis une rotation dans les villages. Peu importe, malheureusement, par manque de moyens financiers, les mâles sont là. Nous avons la matière est là, mais comment travailler la matière C'est ça le problème. Nous sommes contraints donc d'être cloués au niveau de Filingé. Et ceux, qui sont aussi à Filingé ne s'intéressent pas tellement à la lecture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, les mâles de brousse pour ceux qui ne connaissent pas Oui, pour euh, les mâles de brousse, au fait, c'est quoi On essaie de voir, c'est surtout dans les, pour les écoles primaires qui sont euh, dans la commune ou même voir au-delà, au-delà hein, parce que nous avons fait des mâles euh, qu'on a placés dans le département de et la commune de, Manan et la commune d'Abala. Au fait, les mâles, c'est quoi C'est des livres. Euh, on fait les choix des livres de différentes euh, catégories pour les jeunes. donc, c'est une caisse là où on met les livres, on met les, tous les supports <coughs> qui doivent servir au traitement des livres. à euh, euh, au, suivi, parce qu'il y a des supports pour faire les statistiques et autres. Quand on place une malle dans un village, elle peut faire trois mois dans une école. Donc c'est à l'école, mais le responsable de l'école, de faire profiter ces livres-là aux élèves. Après, donc, on revient prendre la malle là pour l'amener dans un autre village. On prend la malle de l'autre village, puisque ce n'est pas le même contenu. On la ramène dans le, village pour aussi pour trois mois, parce que ça permet aux élèves du milieu rural, vraiment de se donner à la lecture. Nous avons beaucoup vu vraiment l'impact euh, de ces mal-là. Pour malheureusement, là aussi, avec l'insécurité, ça pas plus, ce n'est plus possible. Est-ce que vous avez quand même euh, euh, quelques mots pour justement inciter un peu tout le monde, pas que les jeunes à la lecture Oui, je pense que tout celui qui en tout cas qui a besoin d'avoir certaines connaissances s'il ne se, confie pas euh, à la lecture, je ne pense pas si vraiment avec Internet aussi on peut s'en servir parce qu'il y a les coûts. Alors que quand tu rentres dans une bibliothèque, euh, quand tu viens chercher une œuvre, tu peux en trouver d'autres peut-être qui peuvent encore te donner plus de savoir. Donc le mieux, moi je pense que d'abord il faut qu'on change notre manière de faire au niveau des écoles. Parce que nous, notre client ou nos usagers, c'est surtout les scolaires. Parce que c'est eux qui sont appelés à vraiment découvrir les livres. Donc c'est aux encadreurs de venir découvrir la bibliothèque, savoir le contenu de la bibliothèque, et aussi nous donner conseil parce qu'il y a certains ouvrages qui ne doivent être qui ne doivent pas être diffusés socialement peut-être ça peut jouer donc leurs concours vont vraiment nous permettre de nous corriger pour ne pas diffuser des ouvrages qui peuvent euh, faire de créer des problèmes au niveau de la jeunesse les parents aussi puisque c'est des bibliothèques euh, de lecture publique c'est gratuit on ne paye pas. Tant, tant, tant que c'est la lecture sur place, ça ne paye pas. Mais s'il faut faire un prêt, là en ce moment, c'est 200 francs pour l'élève du primaire par an. pour le lycéen, c'est 500 francs. Pour le collégien, c'est 300 francs. C'est par... an. Les autorités doivent faire aussi autant. Et nous autres, on doit quand même nous épauler pour, pour que nous puissions sortir faire la promotion de ces centres-là. Parce que tant qu'on ne sort pas, tant qu'on ne fait pas euh, la promotion, quelqu'un ne peut pas savoir au fait la richesse dont nous disposons. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. La rubrique hebdomadaire éducation de ce jeudi 9 novembre 2023 met l'accent sur la scolarisation de la jeune fille. En effet, dans le département de Tirozérine, région d'Agadez, les jeunes filles nomades admises au collège rencontrent des problèmes de tuteurs pour poursuivre leur cursus scolaire dans les grandes villes. Notre correspondant Ahmed Fellan s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. À Chirozérine, les jeunes filles qui viennent des zones nomades ont un problème de famille d'accueil pour pouvoir continuer leurs cursus au secondaire. Fatima Sani, responsable de la scolarisation de la jeune fille à l'inspection Chirodé, confirme les problèmes. على تغلا انت براري رانتريت انسكريبسيون يغا انت براري بروبليم سان تبراري ورتجينا كونتيني ناني ادراك بنت اد تصودا افكتيف فناس يماراوان ورتنت نت يواسينا دو اغرينا فيلا دا تجينا الشغله والنغيوان اي ماراوين يزاد كاسوا رسنا من فودن راكاسا نيو تنتاراوينا دغرينا تغلي تنتبرر توفاتن برارو نيلس لاست برار تنت دغيوان غير كنت غير تنت ديت مشكله دان ماراوان وتبرا كسدة السوكي غير أغرم ديت آه، ويدن واغر تقور قيت انت يتقلم مثلا نارا غاس قام ما دق واحد خسرنا تبرار الناس نت أدقور نتغرينا سمقنا نارا دغ الموكا لنا داني جينا انترنا وفي تبرار انت تاكينا تغرم غرينا زارا موسى et Aïcha Mohamed en classe de 3e دي collège سلي دي تروزيرين de da difficulty. Yariya ta fito a gidansu ta zo wani gari Yukol gidan na ana matsa mata sai sai ta yi aiki ta zo mai sai ya shiga ya hana ta dole a rage mata na ta hana ta shiga yana iya sama da yaro duble shi ki da yara ga Ekol abin ma ya fita garanta kwata kwata abin da zan iya cewa ga yara mata sai hankuri ga duk mataki na rayuwa da suka tsinci kansu su sa a ran su komi lokaci ne duk alubalen da su fuskanta sai hankuri da shi wata rana in kana ma dan wani kai ma dai ya zo gare ka baka san danka hannun wa zai shiga ba don haka ka rika kyauta karatun ɗiya mata abu ne me mahimmanci tarra nzal gada bua nken mara do tay tarrot nak de wuri ana widin nken adda way yare tam tutur tara to at hat sam khutir tat inta tlata nita hat sam khutir tat jaja gal tat suga sartum kullu rar tqid sas tamba urti rashi tu gukla wuli tibarar tan nita gasa tara to da gada gan tada az sigle tarrot nak das tin kda sine do gwest du tawiya snagra sina sinde katni migno al khayt sin saqad tarrot az to sar tslit zdiya ishi la taksal lakwa tasad dur klas fodat gare tar urdas tigin kulawa urti تكلسون راور تلالقني كاللسون فود الشغل فيش إيش لدين تغزم أوان أو دارن قالوا كل كتني مي خاطر الا عاش تو تجزانا اي دكس يوم مرة إنك تجوكو كري تسنجر لو كل نكومين الشغل وتهيجوكو كري كي الكمي لو كل دارت واي داك جاوي مسلا كتني تمدست لكم تهيكلا تلقي تساتسي دو غابل تنبغ تتاي كورنا كنكي منك هيشب أيو تلفون أستنبغ لخوي تتفقى ترى تليفون مي كنا ساروي هالو كل هاي إبراهيم كبير إسبكتير تشيرودي لانس إن أبل pour solutionner les problèmes de ces filles en difficulté, pour qu'elles puissent continuer leur scolarité dans de bonnes conditions. L'État doit faire un traitement spécial à ces filles. C'est quoi le traitement spécial Il faut que ces filles aient des allocations. Il faut que les ONG, il faut que les organismes, les projets, les bonnes volontés appuient ces filles-là, à travers leurs fournitures, à travers leurs objets, par exemple, elles veulent les tresses, elles veulent les, les pommades, elles veulent beaucoup de choses qui, vraiment, il faut de l'argent. Alors que les pauvres parents qui en brousse là-bas, ils ne peuvent pas tout garantir. Donc vraiment, là, c'est un appel, un cri de cœur que les ONG qui existent, les bonnes volontés, viennent au niveau des collèges cibler ces filles-là qui viennent des coins très éloignés et qui rencontrent énormément de difficultés surtout surtout des titres là où vraiment rester quand l'esprit n'est pas tranquille, vraiment ça peut pas aller. Merci Ahmed Fellon. Allons en musique. Can Let You Go de Ismoan, c'est notre prochaine musique. Je vous propose d'écouter. No one can take your place. You cannot be replaced. You already know. Can't let you go. Ah ouais, je tout donner, ouais. Des mille façons, ouais, t'as tout gâché, ouais. Hmm. Can't let you go. You already know. T'es au centre de mes pensées, ouais. La nuit quand t'es pas là, je ne trouve pas sommeil. tu par ton baiser, ouais. La nuit quand t'es pas là, j'ai des troubles de sommeil. Nous deux qui auraient pu imaginer Oui le mur de feu nous les avions traversés Même les monts Kilimanjaro on l'a escaladé Vite on va faire des moins trafiquantes oh, oh. Let me fly you to London London Take you to Paris I'm gonna buy you Givenchy I'm gonna treat you now Body hot like a summer Gucci Louis Dolce Gabbana Come be my diva No one can take your place. You cannot be replaced. You already know. Can't let you go. don't Awa, shetu donewe. Demi fason weta tu gashewe. Hmm. Can't let you go. You already know. You not fit change anything. You stay as you are. Your smile is everything. No need a Gucci dress, no need to shake your ass. Nothing in this world that can make me like you less. For you, I confess. Give me just one kiss. Nothing in this world that can make me like you less. You already know. Oh, Let me fly you to London. London. Take you to Paris. I'm gonna buy you Givenchy. I'm gonna treat you right. Body hot like a summer. Gucci, Louis, Orche, Gabbana. Can't be my diva. No one can take your place. Uh. You cannot be replaced. Uh. You already know. Can't let you go. Awe, shefu donewe. Let me find some way that you got shewe. Hmm, can't let you go. You already know. nigérien qui réside actuellement aux États-Unis, en Caroline du Nord. Il chante en fulfulde sa langue maternelle, en zarma, hausa, français et beaucoup plus en anglais. Son style musical est une fusion d'afropop, de dancehall, de R&B. Sa maîtrise de la langue anglaise lui a permis de toucher des fans dans son pays d'accueil. Bibi Cap sur Dosso pour le reportage régional. Oui, Mariam, euh, allons découvrir une vendeuse de poissons frais depuis plusieurs années. Ramatou Moussa, 50 ans, a son commerce au quartier Tondobon de Dosso. Elle a appris cette activité avec sa mère et ses frères. Ramatou nous parle de son travail et des difficultés rencontrées. Elle est au micro de notre, correspondant à de notre correspondante à Dosso, Nana Hadiza Hassan. To ganin cewa ita wato jihar Doso ba ta da inda ake ica wa isa wadda za ku samu. Ya kuke harkar kasuwancin naku ne? Ki sai mun ta biɗa. fara in ma nan gaga glass cikin tarmusu muke sa container haka. Muna iya ɗaukan container uku ga Freddy Transport. Glass muna iya kashe na 30 mil, Freddy Transport 30 mil. da ya nan ya tashi a timid tun da babu isa babu nan tabki dole sai mun tashi nan mun ta hau a ba ni bumba nake doka wa'an suna doka una jirgi guda duka kai duka na san kimil yani za su kawo mu kaya in sun ka kaya kuma sai su maida san kimil muke ba su jirgi kai duka ko farasa da muna kashe wajen su san yanzu mil ban ma samu kiyo au mu samu wallahi na kusa dai shekara goma sha shida bayan abun da muke kashewa kenan muke zuwa in sun kawo mu yi fese mu ɗauki kiyayen a memta mu ma su gila su mai da to ita wannan sana'ar wani irin matsaloli da kuke fuskanta a cikin ta wallahi matsala guda wallahi glass da transport in dai ke gaba mu wahala babu glass in ba kwanakin mu da muka ji za a kawo kuran yanzu idan muka ce mu bincike rayuwar ku me ya mafarin abin da ya sa ku kuka fara sana'ar sai da kihi a doso to abin da ya sa mun kai daya in kana da iyali ba ka za ka je kai kuka ga wani ba ya baka su yan uwanka suna da ba su iya taimaka maka haka ka za ka miƙa hannu ga wani wani ba ni gwamma ka tashi da kanka Allah ya kama maka to in kuka tai gumba kifi kadai ne kuke ka kuna saidawa wallahi kini nake doka wata ran bushashe da danye yanzu abin da yasa na kawo kubewa don an ce sarkawa su rage shiga ruwa tunda can bandi sun yi yawa yanzu ki ya koma da basi na sai na cika kwantenar bibi muna so ba da shi yanzu muna ga saye ga masu saye to yanzu idan muka ce mu tambaye ku wani amfani ne kuka samu da wannan sana'ar walla amfani mun samu umfani dewa wata musa a doko maka tuha a baka alhamdulillah ana maka alheri da taimako kuna da masaya masu saye sosai walla ina da ni da ina da masu idan kuka kawo kihin kudin da kuke kashewa kun wani yanzu in kuka to kuka saida shi kuna hita wallahi muna huta in ba kwanakin gaba da kiyi na ga kada mutane me in ga sai ga sarkawa dole kudin ka na wuta me yanzu ga yan bankwai muke sai yan bankwai tun da ke sai mu yan mardi in mun to yan bumba mu sai da mercredi yan una kuma su sai da jedi kuma wani lokaci ne kuka fi samu matsalar rishin ki sai dai ga dari to ga da mana ana dan samu me dai ga dari shi ma da wari ana samu aike kwana biyu sai kihi su abunga Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. de la place. Bonjour Adam. Bonjour, Bonjour Adam. Bonjour Rabi. Alors Adam, fin hier à Difa, des éliminatoires entrant dans le cadre des préparatifs de la 44e édition du sabre national qui se tiendra à Agadez cette année. Eh bien oui, 16 littères ont été choisis. Ils seront suivis et entretenus par les, par les autorités de la région et les partenaires. Je propose d'ailleurs d'écouter l'entraîneur Arzika Issa qui apprécie sa nouvelle sélection. zaɓe yau kwanan mu hudu tun ran jima'a muka fara laraba mun yi da zaɓe mun zama mun tantance wanda ya kamata mu ɗauka wanda za su wakilci jiha a kokowa da aka shirya bana a can jihar agadas sha allahu mun tsaya mun yi yanda ya kamata duka fanni da ya kamata a samu ɗan kokowa da ake nema duk mun duba sha allahu teknik ta yi aikin ta sai dai allah ya bada sa'a zaɓin da muka yi su har 'yan kokowan da kansu sun ce lalle mun yi zaɓi ba su taɓa ga irin wannan zaɓen ba tunda zaɓen da bana muka yi daban ne da sauran Eh Et bien, après l'entraîneur, écoutons à présent la réaction de quelques lutteurs sélectionnés. il reste confiant quant aux chances de remporter le sabre à Difa. da farko da zan ce ma gode ma Allah kuma su yi ta muna da da masallatai masallatai Allah da ya sa abin da muka sa gaba ya bamu insha Allah kwalliya za ta biya kudin sabulu kuma insha Allah mun kai jarumi wanda muna ya mu kama difa takobi amma sai an kama muna don ko ana so ka da baki in ba kama ba ka san na banza ne daga gudumar har zuwa gurti inda jihar difa ne ko ina da ina da Allah a sa ni a kama muna ni ne nan Nuhu Usman mai kwarya na difa mu dai burin mu Allah ya ba mu sa'a bana mu ma muna niyyar mu ma Allah ya ba mu sa'a yana Allah ya ba kowace jaha mu ma Allah ya ba mu Allah kuma ya kama mana mu samu mu ma na bana in Allah da abin nan agadas a wannan zabe da aka yi na bana alhamdulillah gaskiya an dauki wanda za a fita kunya in Allah ya da kuma kwace-kwacen mu su ma Allah kama mana En parlons à présent football avec le retour du championnat national à Super League saison 2023-2024. Eh bien oui, amoureux du ballon rond, sachez que la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, a rendu public le calendrier de la, de la phase allée de la Super League 2023-2024. La compétition débutera le 19 novembre prochain avec un choc tant attendu entre l'ASGNN et l'ASFAN. Quoi de beau pour lancer la nouvelle saison de Super League. Eh bien, c'est sur ce mot de Superluc que prend fin cette chronique. À bientôt pour un autre numéro. Merci bien, Adam. À très bientôt. Dit Mariam, on va faire briller qui aujourd'hui Elle s'appelle Hawa Boubacar, Elle habite à Bosso, un village situé dans le canton de Namaro, région de Tilaberi. Hawa travaille dans un centre de collecte du lait à Namaru grâce à ce centre qui fait la promotion du lait local. Aujourd'hui, Hawa est devenue une transformatrice de renommée malgré les contraintes. Notre reporter Omar Hamma est parti à sa rencontre. Elle nous parle de comment elle mène l'activité. A ate jiri hinza kai gogati to madam ni nige yingir faman di fono na nina wa gaso wote yon usu ban wala chuku wo wallahi kan yin su ban wa huwo do deno ir kai nir koire kulce ina ir makagate te. idi kan yi wono no gobori ina sambu wa huwo do son aiga goinodi wodi magani ne sambu to ni nige yingir faman di nafakan ni du goyowara wallahi wara nafa zama sintina huwo kunno ina sai da ga goyi ga du riba kokor banda mo ga goyi da hando bu'i mai bana oh. danga marje cena kirsintinmo zambar no igay banda hando goyo koyde jina zambar wo to ni ne igo gina bana wo den du mata no ni gogate noro de du way gate almane mata ay muradu kayna foda ay sabanda ay gada ngara to sende fono ni gogadu ni goyo wara wallahi sanda kan yi goga duwara da ti istar deti istarka da ti sanda kan yi goga duwara istar istarka bana irgo goy mu tabi kalir mu selen he kalir mu kayir kair ga watin ga mu duka banirsi sanda deno na kirgo du irga biya gune irko ara gone hondo woga ce ga ne ga biya susu bai kul ko no ai jinni katalitere mi nesi ai no ga hen samanna wo bumbo ai ga yayi nan dino im koy da nyame ya wir hinne ne gate da wazibu ga ne ga te cuku dawa bagu mu kule ga te cuku to wawo man na ga funda aran se wala matin aran goga te gaduwa wawo wallahi wasan bu kaino gona kan koy koy reere kide im kata no di wodo ay moma de koy rarano iga de iga ka por por bon koy gaira ka de kat dangali tarfo kul marjano ni ga de tarfo mi de woygu ay moma de woydu to ce yan fo no ni ga te ni wani kele woy bare se wallahi kele woy bare kul kan goga te wallahi mu kokari ka ta zama la gonda him fanir wa halmanti banan dodo her kan iga tarka gayir se goyno kan gonda albarka zama wa goyi wa albarka gara wallahi borga han ni murado gate Voilà, avant euh, la chronique Loti, allons avec le titre d'Ole Dangana de Mamoudou Abdou girl, about you, about love. Love is the best gift God has given to, to the, world. The first time I came across with you, girl, I was bound to travel. And to that time, you promised me to be mine. not. al al'amari idan aka ce soyayya to ala sai an gaba da hakuri sai kin gani ki kamar ba ki gani ba kuma ki ji ki kamar ba ki ji ba a haka soyayyar za ta kyau Voilà, c'était Doro Dangana de Mamoudou Salam un autre chanteur qui montre bien qu'il peut très bien chanter en anglais. Mariam. À présent, voici le loti qui parle aujourd'hui du risque de laisser un puits ouvert dans une concession. En effet, au Niger, plusieurs maisons disposent de puits et souvent ces puits ne sont pas couverts. Quels sont les inconvénients liés à la non-fermeture des puits dans une maison où les enfants jouent Écoutons cette discussion entre Samira Rouafi et Rekia Arimi. Affairage, affairage, affairage, affairage. ne bouge pas, hein. Mais où est-ce qu'elle est mise J'espère qu'elle n'est pas encore en train de dormir. Ramo Ramo Ramo Hé Allah, qui m'appelle comme ça à l'air là Ah bah, Ramo, que fais-tu dans la chambre pendant que ton enfant est à l'arrière de la cour tout seul Il a manqué de peu de tomber dans le puits. Quoi Subhanallah Inna lillahi inna ilayhi Habibou Habibou, où est-il Arrête de crier, il est juste là. Oui. Mon Dieu, Dieu merci. Oh. Dieu seul sait ce qui allait se passer si je n'avais pas intervenu à temps. Je l'ai trouvé près du puits. Il tentait de rattraper son ballon qu'il a jeté par-dessus. Il aurait pu tomber dedans. Et vous n'en saurez rien. Et vous n'en saurez rien. Mon Dieu. J'allais perdre mon bébé. Et comment est-ce que j'allais expliquer cela à son père Pour cette fois-ci, ça va. Il a eu de la chance. Mais Ramou, je n'arrive pas à comprendre comment peux-tu laisser un petit enfant comme Habibou jouer tout seul dans la cour alors que tu sais que le puits n'est pas fermé. C'est un danger permanent que vous avez là. Écoute ma copine, il était allongé juste à côté de moi avant que le sommeil ne m'emporte. Nous faisons la sieste ensemble. D'ailleurs, si ce n'est pas aujourd'hui, il n'est jamais allé là-bas. Et en parlant du puits, chaque jour que Dieu fait, j'attire l'attention du boy de fermer le puits quand il finit d'arroser les plantes. Je n'en disconviens pas. Mais tu dois redoubler de vigilance et t'occuper personnellement de ce fameux puits, et bien fermer après chaque usage. D'ailleurs même, pourquoi garder un puits alors que vous êtes connecté au réseau de distribution d'eau hmm. C'est mon mari, Wallahi. Quand je lui parle de les supprimer, il avance qu'il a un projet de forage qu'il compte implanter sur le puits. C'est une bonne chose, mais avant demande-lui de consulter un spécialiste, car il y a des normes à respecter. Mais en attendant, essaie de protéger le puits mettre une grille ou une plaque de sécurité par-dessus pour protéger l'ouvrage et par la même occasion les enfants. En effet, il a déjà pris attache avec eux. Ah là, c'est bien. Mais tu dois tout de même bien surveiller le petit avant la finalisation du forage. T'inquiète, ma copine. J'y veillerai personnellement. D'ailleurs, regarde, j'ai même oublié ce qui m'a amené chez toi, tellement je suis emportée par la situation de cet enfant. Mais c'est normal, non Hum, Et merci En tout cas, merci d'être là, ma chérie. L'émission du Niger sur Kalangou, c'est aussi de la culture linguistique. Ce matin, c'est Soumana Amadou du Deska Fulfulde qui nous vient avec le mot cohésion sociale. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Eh bien, en définition, la cohésion sociale est la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation. La cohésion sociale est importante dans l'établissement et le maintien de l'ordre dans les communautés. Lorsqu'elle est efficace, elle permet de prévenir le conflit social et d'assurer la stabilité démocratique. Tout comme certaines politiques participent au maintien et à l'amélioration de la cohésion sociale, d'autres peuvent inversement y Donc voilà, on va essayer. de, voilà, expliquer ça en fulfulde. Quoi à cohésion sociale, woni jonde jaam himbe. himbe. jonde jande de ɗan himbe, wonno himbe. tawaɓe no joddi durwa hakkunde mum en tawe neɗɗo non tawa ɗon welteke e jonde ne. non du tawe du fa du ɗum de ɓurde harafi harafi rikuji himbe kasendanta woɓɓe henne sengo wi'e ɓe ɓuri ɓe ɗum wi'ete cohésion social on enda e ɗum laati ɗum hunde ko woodi nafaka sanne e dow waddugol mballaga muɗum ngam joƴƴinde e dartinde jonde leñi jodiɗɗi e senini laawol ngol ɗo heɓama moƴƴi no waawi surude fahande hono bolo wala ko wawi wadde hakkunde himɓe no wawi dukorna ba lawol démocraci jooɗo tabita ka noon no woodi himɓe laatiɓe hono waɗo politique walloɓe sanne sanne no watta ko tawe jonde jam hakkunde himɓe ndena tabita ɓeydo moƴƴa ka nder maɓɓe no woodi woɓɓe dukondam ɗon tokkirto laawol ngam waɗa bonondaji hakkunde himɓe ɓen enda Je suppose qu'on est à la fin. <laughs> voilà. <laughs> Merci bien, euh, Soumana. Merci à tous. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre hein, grâce à nos médias partenaires partout dans le pays et sur notre site web. Écoutons quelques messages d'auditeurs. gandu bako tullorani lalle sirio kalango ina sauraron ta kwarai kuma kwarai kuma nika ji daɗi kuma sauraron ta wallahi Dan saboda akwai abubuwa waɗanda baka gane ba in kana saurare wallahi kana ji sai ka gane da su kanka na ƙara waya wanda ka sauraron shi ko shi na da duhun kai sannu sannu ka gani shi kenan kaga kanka ya waye kai gani ci gaba na saboda in ka kai ma kana kwatanta mu wani kenan wannan in ji abin nan shi ma ke gani kan shi ya waye ko mutane waɗanda ne ka so yan gaida insha Allah ina gaida Hiya Hamza ba da bace ina gaida mai garinmu mummuni tullorani ina gaida horiya zangi ina gaida sa'idu bare ina rubin gaisuwa da fata alheri allah ya sa sakon gaisuwa kai gare su laya sunana baba ilefe mataimakin shugaba na coordination club da fada da ke nan birnin da magaram kuma ni mai sauraron shirye-shiryen studio kalangu ne a gaskiya shirye-shiryen studio kalangu suna matuƙar ƙayatar da ni musamman ma irin shirye-shiryen da suke gudanarwa. Na farko zan iya cewa akwai shirin da suke yi don faɗakar da matasa musamman ma a wannan lokacin za ga matashi maimakon ya tashi ya nemi sana'a ya dogara da kanshi sai ka ga ya karkata wajen shaye-shaye da wani waɗace wadace. to studio kalangu lalle tana kawo gudunmuwa wajen ganin ta wayar ma matasa kai bisa irin wannan abubuwa na biyu akwai shirin da take yi musamman ma ga iyaye yara musamman ma wannan lokacin da muke ganin alamun sanyi zai shigo to studio kalangu tana wayar da kawunan iyaye yadda za su yi su kare lahiyar yara kanana abu na gaba kuma studio kalangu akwai wani shiri da take yi na wayar da kan musamman musamman ma yara ƙanana mata za ga yarinya maimakon ta tashi ta yi karatu amma sai ga ta fige tana shaye-shaye ƙarshe ma za ga ta shiga harka da ba ita ba sitidiyo kalangu lalle tana kawo mota wajen wayar da kawunan mata musamman ma rashin zuwa makarantu da rishin tarbiyya da suke samu musamman ma ga iyaye iyaye za ga sun bar 'ya'ya mata musamman ma ƙanana 'yan shekaru sha biyu sha uku sha suna gararan ba a cikin gari lalle sitidiyo kalangu tana kawo wata wajen ganin ta yaki wannan abu shirye-shirye dai ba ɗaya ba biyu ba su cido kalangu tana yi don taimakawa al'umma shirye-shiryen cido kalangu duk wanda zai sa saurara dole ya yaba da irin ayyukan da suke yi wajen ganin sun kawo su a wannan lokaci Ici pour enfin notre émission de ce jeudi 9 novembre 2023. Vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et moi-même Maria On se dit à 17h pour notre programme de 2h avec nos journaux en 5 langues suivi du forum de Studio Kalangu. Merci à l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Excellent après-midi à tous. Bye bye.